assalamu alaikum wa rahmatullah ya masu albarka na kominkin takanamut da fatan kowa yana lahiya alhamdulillahi lafiya da muke sharuwa a takanamut yau maritan juma'a alhamis 25 ga watan ramadan insha Allah eh, kuma na tura alamun sanarwa ne saboda mu da yan uwa da cewa e na farko dai al'umma da ta ɗauke mu ta azaman nauyin jagorancinta ta muna sanar da cewa daga yau kinnan wani nauyi da al'umma ta ta aza muna Allah ya sabke mana shi saboda eh, gwamnatin mu ta Niger ta kai karshen ruka duka na Nijar. insha Allah eh, an nada kuma sabi wanda za su jagoranci wato administrator delege kenan da haka daga yau yan uwa eh, sharikun da kuka azamuna Allah ya sabke muna ita fatan da muke Allah ubangiji ya sa wa'annan da za su zo su dauki wannan wuri jagorancin kominikin nan mu ruka mu to Allah ubangiji sa su yi eh, abun da zai ci da ban komai mu da kasar Nijar kuma wannan eh, doka da gwamnati ya doka ko kusan da gwamnati ya doka na canza ruka duka na Nijar to Allah ya sa to alkhairi ga Nijar ga 'yan Nijar baki daya da kuma talakawa Nijar insha Allah fatan da muke Allah ubangiji ya kama mu kowa eh, shi kuma wanda zai zo dauke wurin sai ya Allah ya taya shi abu na gaba kuma yan uwa ina amfani da wannan dama isa sakon godiya ta ga al'umma waɗanda suka ba mu haɗin kai tun da Allah ya kamu har da Allah ya sa muka sabka waɗanda kuma muka yi ma kuskure muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kuskure yana faruwa wanda ka sani ba sani ba Allah shi ya sani eh muna roƙon gawara da suna na Nasir Yakub Atto eh sharikin da kuka azama kamar da bayani Allah ya sauke mana ita to da Allah kuma ina roƙon ƴan uwa wanda ni malaki wanda ni sani da wanda ban sani ba abin da ɗauka lahi da wanda ban ɗauka lahi ba in mutum ya ɗauka shi lahi sai ya yafe mini daga yau in mutum ya tashi nema nasiru sai ya kashe sunan nasiru ko kuma tsohon vismer insha Allah ina mai uwa ga baki dina komai ta kanan mata godiya wallahi alhamdulillah bin mutum musalihati eh mun samu haɗin kai yadda ba a tsammani cikin jagorancin da muka yi na takanan mata alhamdulillah komai kin takanan mata mun samu haɗin kai tore da Allah ya kamu wannan gida to ba mu taɓa samu eh, wata difference wani mu ce ga inda alƙibla ta juya mutane su juya wani baya ba mu samu wannan ba to wannan shi mu alkhairi ne gare mu insha Allah fatan da muka Allah ya mana abin da yake zama alkhairi kuma Allah ya sa wannan abin ya zamanto eh, taimakon ƙasar mu ne da kuma ci gaban ƙasar mu fatan da muka yi kuma na gaba yan eh, uwa a ci gaba da bada haɗin kai mu gaida Allah da shi da ƙasar mu baki daya insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi daga bakin naku nan Surya ko Ato mataimakin kamar na ko bankin takanan mata délégué suivez plutôt communiqué du secrétaire général du gouvernement, le président du Conseil de la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a signé ce jour 4 avril 2024 un décret portant nomination des administrateurs délégués. Ainsi sont nommés administrateurs délégués région d'Agadez, département de Bilma, commune urbaine de Bilma, commandant Abdraman Aguid, au Abar SM, commune rurale de Dirkou, lieutenant Sedou Namata, commune rurale de Diado, capitaine Maj Abdraman Mahaman, au Abar SM, département d'Ingal, commune rurale d'Ingal officier de police Mamadou Bana, 80-278-S, commune urbaine d'Agadez, commandant Assarid Al-Mustafa, OR bar, SM, commune urbaine de Tirozirine, adjudant-chef Mohamed Abdrahman, 98-279, commune rurale de Tabelote, commissaire Ibrahim Kemil, région de Difa, département de Difa, commune urbaine de Difa, lieutenant-colonel Abdou Halidou, OA bar SM, département de Boso, commune rurale de Boso, adjudant-chef Garbajibo, 198-802-91 département de Maïnissouroua, commune urbaine de Maïnissouroua, lieutenant Chetim Mahamadou, département de Goudoumaria, commune rurale de Goudoumaria, officier principal de police Hamidou Moussa Yahi, 62 157 bar V, département de Ningidimi, commune urbaine de Ningidimi, commissaire principal de police Alassane Moukaila Madouk, 83 095 bar R, région de Dosso, département de Berningaoure, commune urbaine de Boboï commissaire principal de police, Rachidou Garba, 83 270 bar P, département de Dosso, commune urbaine de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, commune rurale de Moko, adjudant-chef Bohari Korou, 199 406 113 département de Douchi, commune urbaine de Douchi, commandant Féchel Belkissa Noma, 013 948 bar E, commune rurale de Soukoukoutane, capitaine Ayouba Saleh, OA bar SM, commune rurale de Dogonkria, adjudant-chef Hamis Lawali Bouzou, commune urbaine de Gaïa, adjudant-chef Hamissou Bouzou, 200 00 commune urbaine de Gaïa, Bachir Moussa Sana, commune rurale de Bana, Hassan Seni, 94 316 bar B, département de Gaïa, suite commune rurale de Bengou, Siriman Waifan, commune rurale de Yelou, adjudant-chef Oumar Boubakar, 199 600 205 commune rurale de Tanda, capitaine Harouna Ibrahim, Ouabar SM, commune rurale de Koremeroua, Saa Marafa Kiasa, département de Bermo, commune rurale de Bermo, adjudant-chef Ide Sadou, 198 902 11, commune rurale de Tchadoua, commandant Abdullah Rabi Boubakar, Bagaya, 07 393 39 38 bar C, commune rurale de Gazawa, commandant Boubacar Chefou, 0106 322 bar B, commune rurale de Gangara, lieutenant Mohamed Seydou, OA, SM, commune urbaine de Mayayi, colonel Boubacar Alassane, dit Touna, commune urbaine de Kida Amoumoun, Nacha 121-026 bar P, commune rurale de Kanambakashi, Boubacar Assouman, 144-691 bar L, commune rurale de Isawan, lieutenant Gaya Adamou, Ouabar SM, commune rurale de Korgom. Adjudant-chef Hamani Ada, 198 901 commune rurale d'Ourafan. Capitaine Idibawa, ou SM, commune urbaine de Dakoro. Commissaire de police Abdoulaye Arun Hassan, commune rurale de Sabomachi. Commandant Amadou Hima Furera, 133-868-V, commune rurale de Kornaka. Adjudant-chef Abdoulaye Allah, commune rurale de Korohan adjudant-chef Maj Aliou Ouma Issa, ville de Maradi, lieutenant-colonel Moussa Garba Abdoulaye, commune Maradi 2, Oumarou Abdou, Di Ova, commune urbaine Madaroufa, capitaine Hamidou Tankari Ouabar SM, commune rurale de 1 Issa, commissaire de police Boubacar Moussa Agali. 43 492 bar A, commune rurale de Saï Sabwa, lieutenant Ahmed Oumarou Daouda. 114 230 bar C, commune rurale de Guidansouri, adjudant-chef Ali Tarno, 199 59 commune urbaine de Bernikoni, officier principal de police Mamman Arzika, commune rurale de Bazaga, adjudant-chef Abdul Fattah Boubakar, 23 commune urbaine d'Abalak, commissaire principal de police Abdul Rachid Hamid Leyou, 138 bar R, commune rurale d'Azey, adjudant-chef Maman Dedi, 199 10 095, commune rurale de Tabalak, Issa Haladou Ato. La suite avec vous, Assoumane Massoui Salam. Bouza, commune urbaine de Bouza, commissaire principal de police Yacouba Ede 13 1380-34-T, commune rurale de Déoulé, capitaine Abdou Mokhtar, 16-14-112-G, commune rurale de Garofan, lieutenant Mohamedou Ibrahim Abdou, 05-33-84-Y, Bagaroua, commune rurale de Bagaroua, lieutenant Amadou Talfi OA bar SN, Ilela, commune urbaine de Ilela, capitaine Zakaria Mariama Monkela, commune rurale de Tamaské, adjudant-chef Hamza Hamma 89 300, Madawa, commune urbaine de Madawa, Essefou, Anafo, commune rurale de Bangui, Garba, Naama, ville de Tawa, Sahabi Moussa, commune Tawa 1, Abbas Nasru, de Metawa 2, Kazalma Kari, Wangami Fanta, commune rurale de Barmou, lieutenant Ibra Mamata, OA bar SM, commune rurale de Taknamat, Hamisu Almou, commune rurale de Tebran, adjudant-chef euh, Idrissa Kimba Basiru 94 177, Tuntabraden, commune urbaine de Tuntabraden, lieutenant Soumana Seibou, commune rurale de Kaou, officier principal de police euh, Ayouba Ibrahim Abarchi, 76 627 bar M, Tilia, commune rurale de Tilia, adjudant-chef Amadou Sadou, 1996 0237, Abala, commune rurale de Abala, adjudant-chef euh, Idi Sama, 19 87 0104, commune rurale de Sanam, lieutenant Souley Ibro, Balayara, commune rurale de Tagazar, adjudant-chef Nuhu Mahaman, 19 89 04 16, Banibangou, commune rurale de Banibangou, Chey Boubra, Bankilare, commune rurale de Bankilare, adjudant Gara Adam, 19 88 00 77, Toroli, commune rurale de Toroli, adjudant-chef Abdullahi Na'Allah, 19 88 01 71, Gotei, commune rurale de Gotei, capitaine-major Doumassi Abdou, OA bar SM, commune rurale de Dargol, adjudant-chef Abdelwahid Munkeila, 19 88 03 22, commune urbaine de Filengue, Boukari, Jebeirou, commune rurale de Courfey Centre, lieutenant Issa Kabra, AO bar SM, commune rurale de euh, Tondi Kandja, adjudant chef Maman Oula 89 041, commune urbaine de Kolo, Capitaine Rabiu Moussa, 53-97, 7 bar A. Commune rurale de Betinkoji. Sous-lieutenant Leila Moman Essifi. 11 40 63 bar D. Commune rurale de Nchendou. Adjudant chef Moussa Elagi Ari, 24-75, commune rurale de Karma, Issifou Hamadou, commune rurale de Kirtashi. adjudant chef Saleh Seibou, 19-88-03-62, royale de Namarou, officier principal de police Leila Adamou 83 286 bar Y. Commune urbaine de Walam, Abdullahi May Irakou Issa. Commune de Simiri, adjudant Idrissa Maman, 89 030. Commune rurale de Tondikwindi, adjudant chef euh, Mahamadou Ada, 19 91 0082. Commune urbaine de Saï, lieutenant Nuhu Larabou commune rurale de Makorondi, lieutenant Jadi Batouré, commune rurale de Tamou, lieutenant Abougana Mamadou Aji OA Bar SN, commune rurale de Mehana, adjudant-chef major Rabo dan 19 86 03 51. Ayerou, commune rurale de Ayerou, capitaine Ali Omarou, bar SN, Tilaberi, commune urbaine de Tilaberi, commissaire principal de police Ousseini Amadou Omarou, ville de Zander, fou Maman, commune Zander 1, commandant Nassirou Bana OA bar SM, commune Zander 2, capitaine Abdou Rabo, commune rurale de Kanché, adjudant-chef Harou Bala 19 89 04 15, commune urbaine de Magaria, Abdraman Sani, commune rurale de Antio, adjudant-chef Ouda Saleh Seini, commune rurale de Dongas, Maman Alou, commune rurale de Dogodogo, adjudant-chef major Amadou Bala Soule, 19 86 01 24. Commune rurale de Gouna, adjudant-chef Mohamedou Diop Gueye, 19 89 00 80 40. Tanout, commune rurale de Tanout, Maman Awel, commune rurale de Olelewa, Ousmane Mekassoua. Région de Niamey, ville de Niamey, Colonel Boubacar Soumana Garanké, au Abar SN. Niamey commune 1, médecin colonel Marie Juka. Et enfin, commune Niamey 3, lieutenant-colonel Saleh Bouker, 06 31 80 Barcy.